Je suis venu remettre une euh, lettre euh, de félicitations du président de la République euh, italienne Sergio Mattarella au président Mohamed Bazoum à l'issue des, élections. élections. Beaucoup discuter des programmes d'envergure que nous appuyons dans les services de base tels que l'énergie, le secteur de l'eau, le grand programme du barrage de Candagie, et discuter de comment on peut accélérer la mise en œuvre de tous ces programmes. Euh, on a beaucoup parlé de comment renforcer l'accès aux services de base euh, pour les populations euh, dans tout le pays, mais aussi en particulier dans les zones touchées par le conflit. et on a en particulier discuté du secteur de l'éducation, du programme de réforme du président pour promouvoir la scolarité de la jeune fille. Niger et le Mali sont deux pays qui sont liés par l'histoire, par la géographie, par les valeurs sociales, par la situation actuelle de tous les problèmes qui touchent l'un des pays touchent l'autre, et particulièrement dans les circonstances actuelles euh, de sécurité que traversent nos différents pays. Il est important dans ce cadre-là qu'il y ait des échanges entre les autorités de très haut niveau dans nos deux pays. Et c'est dans ce cadre-là que son Excellence Bandao m'a envoyé pour apporter un message au président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum.